candidats admissibles devront passer ici aujourd'hui à l'administration, euh, euh, voilà, au jury pour prendre donc pour le relevé de notes afin de faire leur choix. À partir de 17 h de faire leur choix à rendre demain à 10 h à partir de 10 à 17 h Voilà. Je répète donc, je reprends Voilà. élèves yi am oral admis oral cest dit dañu à partir de 17 heures jël seeni relevé de notes def choix bu nous ñu vous rendre à partir de au plus tard 17 heures voilà maintenant on va passer donc à la proclamation donc des résultats en série L ok résultat baccalauréat de l'enseignement secondaire année 2001-2021, session normale 2021. résultat par ordre de mérite. Liste des admis d'office. Jury numéro 1349. Série L'. Langue et civilisation moderne. Numéro 15922, Aïchatou Pané. Mention passable, lycée Serigne Mustafa Bassirou Mbake porokhan Numéro 15 942. Cheikh Oumar Ba. Mention passable, lycée Serigne Mustapha Bassirou porokhan Numéro 15 990. Alma Mindiaye. Mention passable, lycée Serigne Mustapha Bassirou porokhan Numéro 15 997. Bassirou Sow mention passable lycée sérig Moustapha Bassirou Porokhan. numéro 15 979 Ndofen Gadiaga mention passable candidat individuel Kaolak Kaos numéro 16 006 Seynabou Touré mention passable lycée sérig Moustapha Bassirou Porokhan. numéro 15 928 Ney Amisek, mention passable, lycée sérig Mustafa Bassirou Porokhan. Numéro 15 981, Adama Keita, mention passable, lycée sérig Mustafa Bassirou Porokhan. Numéro 15 942, Amatba 943, numéro 15 943, Amatba Mention passable, lycée Sérig Mustafa Bassirou Porokhan. Numéro 15 984, Talif Keita. Mention passable, lycée Sérig Mustafa Bassirou Porokhan. Numéro 15 929, Samba Sen. Mention passable, lycée Sérig Mustapha Bassirou Porokhan. Numéro 15 992, Fatou Ndiaye Mention passable, lycée Sérig Mustapha Bassirou Porokhan, fin de liste. La suite pour la liste des admissibles pour la même série, L'1. Résultat par ordre de numéro de table, liste des admissibles. Jury 1349, série L'1, langue et civilisation moderne. Numéro de table. Numéro 15 900, Aliou lycée Serigne Moustapha Bassirou de Korohan. Numéro de table 15 901. Amadou Diallo, lycée Serigne Moustapha Bassirou de 15 902. Malik Ndaw, lycée Serigne Moustapha Bassirou de Korohan. Numéro 15 903. Ibrahima Ndiaye, lycée Serigne Moustapha Bassirou de Korohan. Numéro 15 904. Matar Ndiaye, lii Mustafa sëriñ de numéro 15 908 Omar Ba lii Mustafa sëriñ de Porohan. numéro 15 911 Mohamedou Kamara lii Mustafa sëriñ de Porohan. numéro 15 913 Marie Dabo lii Mustafa sëriñ de Porohan. numéro 15 914 Babakar Diouf Dem École privée La Sagesse du Saloum. Numéro 15 914, Babakar Diouf Dem, je reprends, élève, école privée La Sagesse du Saloum. Numéro 15 916, Amadou Diallo, lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhan. Numéro 15 919, Bouna Diop, école privée La Sagesse du Saloum. Numéro 15 920, Mariam Job, lycée Serigne Mustapha de Porohan. Numéro 15 921, Katim Fall, lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 15 932, Babakar Cham, candidat individuel Kaulak Kaospe. Numéro 15 933, Diariatou Diallo, lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 15 935, Maria Majankha, lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porohan. numéro 15 936 Punjai gai lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porohan. numéro 15 940 Saliou sar lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porohan. numéro 15 941 Baloba lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porohan. numéro 15 947 Fatou Bessane candidat individuel Kaulak Kaospe. numéro 15 949 Mustafa Bey lycée Serigne Moustapha Basirou de Korohan. numéro 15 950 numéro 15 950 Abdourahmane Kamara lycée Serigne Moustapha Basirou de Korohan. numéro 15 952 Jakarija Jakarija Camara lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhane numéro 15 955 Ahmed Cissé lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhane numéro 15 956 Antia Cissé lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhane numéro 15 958 Adama Dia lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhane numéro 15 959 Moussa Dia lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porokhane numéro 15 960 Fatou Djahate. Diakhaté lycée Mustafa Moustapha de Porokhane numéro 15 965 Amis Djao. lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porokhane numéro 15 966 Ansa Diawo lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porokhane numéro 15 967 Ibrahima Diara lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porokhane numéro 15 968 Abu Djawo, lycée Serigne Mustafa Bassirou de numéro 15 969 Nicolas Djilou Ketam Djedjou école privée La Sagesse du Saloum numéro 15 970 Papa Tamsir Dien école privée La Sagesse du Saloum numéro 15 972 Pathé Hadi Diop lycée Serigne Mustapha Bassirou de numéro 15 973 Modou Diop lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhane numéro 15 975 Pape Iba Diop lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhane numéro 15 976 Seydou Diop école privée La Sagesse du Saloum numéro 15 985 Ndey Khadi Khouma lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porokhan. numéro 15 987 Ramatamane école privée La Sagesse du Saloum numéro 15 991 Awangay, école privée La Sagesse du Saloum numéro 15 995 Khadi Senghor lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porokhan. numéro 15 996 Adama Sow lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porokhane numéro 15 998 Doro Seydi Sow lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porokhane numéro 16 000 16 000 donc Ousmane Sow lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porokhane numéro 16 002 Ibou Touré lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porokhane numéro 16 004 Nené Touré lycée Serigne Moustapha Bassirou de Korokan fin de liste. Bon, à présent, nous allons passer à la série L2. Baccalauréat de l'enseignement secondaire, année 2021, session normale 2021. Résultat par ordre de mérite. Liste des admis d'office. Jury 1349. Série L2, sciences sociales et humaines. Numéro 16 178 Ndiaye mention assez bien lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porochal numéro 1629, Maria Mariama mention assez bien lycée Serigne Moustapha Bassirou de Porochal numéro 16231, 231 Jaina mention assez bien lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhane. Numéro 16 230, Cheikh Mbaye, mention passable, lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhane. Numéro 16210, 210, Maïmouna Diao, mention passable, école privée La Sagesse du Saloum. Numéro 16 154, Momodou Mbaye, mention passable, lycée Mustapha Bassirou de Porokhan. Numéro 1672, mbombe Dramé. Mention passable, lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 1638, Mustapha Bitey. Mention passable, lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 1651, Bay Tunkara. Mention passable, lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhan Numéro 1656, Mustapha Bari. Mention passable. Lycée privé, école privée, la chagesse du Saloum. Numéro 16228, Mossan Maron. Mention passable. Lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhan Numéro 1639, Alimatou Sissé. Mention passable lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhan Numéro 16 213 mention passable, lycée Serigne Mustapha Bassirou de Porokhan fin de liste. Voilà. Résultat par ordre de numéro de table. Liste des admissibles, c'est-à-dire des candidats devant subir les épreuves du second groupe. Numéro 1611, Amat Touré, école privée La Sagesse du Saloum numéro 16 112 Ibrahim Ali, lycée Sering Mustafa Bassirou, Porohan. Numéro 16 115 Modou Sissé, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 16 116 lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 16 117 Omar Sissé, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan numéro 1618, Suleiman Diaw, lycée Sering Diaw, lycée Moustapha Bassirou de Porohan, numéro 1621, Malik Gueye, école privée La Sagesse du Saloum, numéro 1622, Bassirou Khan, lycée Sering Moustapha Bassirou de Porohan, numéro 1630, Sering Sow, lycée Sering Bassirou, Moustapha Bassirou de Porohan, numéro 1631, Baboutal, lycée Sering Moustapha Bassirou de Porohan. Numéro 1633, Adama Touré, lycée Sering Moustapha Bassirou de Porohan. Numéro 1637, Sadio Ba, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 1644, Awa lycée Sering Moustapha Bassirou de Porohan. Numéro 1648, Fatou Ndiaye, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16, 149, Amadou Sow, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16, 150, Awassi, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16, 152, Mustapha Touré, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16, 158, Hadim Sek, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16 160, Gourowo Ba, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16 161, Tchernoba, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16 163, Sering Bousso, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16 165, Maimouna Kamara, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 16, 166, Babou Sissé, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 16, 167, Aliou Diallo, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 16, 176, Aïssatou Mané, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan. Numéro 16, 177, Adim Mbaye, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan, Numéro 16, 179, Salimata Ndiaye, lycée Sering Mustapha Bassirou de Korohan. Numéro 16, 180, Rocky Sa. lycée Sering Mustapha Bassirou de Korohan. Numéro 16, 186, Mam Fatim Cham, lycée Sering Mustapha Bassirou de Korohan. Numéro 16, 188, Samba Touré, lycée Serigne Mustafa de Porohan, numéro 16 191, Aïssata lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porohan, numéro 16 193, Mamadou Ba, lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porohan, numéro 16 194, Ramata Ba, lycée Serigne Mustafa Bassirou de Porohan, numéro 16 195, Ramata Gibiba lycée séring Mustapha Bassirou de Porohan, numéro 16 204 Bassirou Diallo, lycée séring Mustapha Bassirou de Porohan, numéro 16 205 Gakou Diallo, lycée séring Mustapha Bassirou de Porohan, numéro 16 214 Mamadou Diom, candidat individuel Kaolak. numéro 16 221 Sering Modou Fall, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan, numéro 16 223 Ousmane Gangue, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan, numéro 16 224 Ami Gay, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan, numéro 16 225 Fatoumata Gay, lycée Sering Mustafa Bassirou de Porohan, numéro 16 226 Ami Mané, école privée La Sagesse du Saloum, numéro 16 227 Biram Biran Mané, lycée, Mané, Sering Mustapha Bassirou de Porohan numéro 16 232 Mamou Ndiaye, école privée La Sagesse du Saloum, numéro 16 235 Abdullah Sal, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan numéro 16 236 Omar Sal, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan lycée numéro 16 238 Mbaye Sen, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16 240 Bineta sou lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16 241 Bineta sou lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Numéro 16 245 Mariam Sou, lycée Sering Mustapha Bassirou de Porohan. Fin de liste. Voilà, nous allons passer maintenant à la série S2. Euh, baccalauréat de l'enseignement secondaire, année 2021, session normale 2021. Sur les 19 candidats composés, il n'y a pas d'admis d'office. Donc, admis d'office néant. Donc, on passe aux listes des admissibles. Résultat par ordre de numéro de table. Numéro de table 16 349 Ajibu Sum Ajibu Bari lycée Serigne Mustapha batirou de Korohan. numéro de table 16 Mamadou Diallo lycée Serigne Mustapha Batiru de Korohan. numéro de table 16 355 jawara Jawara. lycée Serigne Mustapha Batiru de Korohan. numéro de table 16 356 Aminata Dramé lycée Serigne mustapha Batiru de Korohan. numéro de table 16360 Baba Carlo lycée Serigne Mustapha Basirou de Porokhane. Numéro de table 16 361 Fadi Ndiaye, lycée Serigne Mustapha Basirou de Porokhane. Numéro de table 16 362 Mamadou Ndiaye, candidat individuel Kaolack KSP. Numéro de table 16 363 Ousseynou Ndiaye, lycée Serigne Mustapha Basirou de Porokhane. Numéro de table 16 366 Seydina Omar Sy, lycée Serigne Mustapha Basirou de Porokhane. Et enfin, numéro de table C367, Touré, lycée Série Moustapha Bafirou de Porohan. Fin de liste. Voilà. donc pour l'essentiel des, mhm. résultats du jury 1349 du lycée Série Moustapha Bafirou maké de Porohan. Alors pour les statistiques, pour la série L', nombre d'inscrits 107 dans dont 6 absents, le taux d'admissibilité pour les garçons est de 62,71% et le taux de réussite, toujours pour les garçons, est de 13,56%. Pour les filles, le taux d'admissibilité est de 52,28% et le taux de réussite de 9,52%. Pour la série L2, nombre d'inscrits 141, dont 3 absents d'admissibilité pour les garçons, 45,45%, taux de réussite pour les garçons, 7,79%. Pour les filles, taux d'admissibilité 45,90% et le taux de réussite est de 11,48%. Pour la série S2, nombre d'inscrits, nombre de candidats, 20, dont un absent, donc 19 ont composé. Taux d'admissibilité pour les garçons, 53,33%. Taux de réussite, 0. Pour les filles, taux d'admissibilité, 50%. Et le taux de réussite est de 0%. Voilà donc pour l'essentiel de ce qui est des résultats du, jury 1349 du lycée Serigne Moustapha Bassirou de, de merci beaucoup monsieur nous avons nga ñu ñëwala série L2 bi ci ci pourcentage bi série L2 mhm. série L2 mhm. nombre d'inscrits mhm. c'est 141 141 141 dont 3 absents Trois 3 absents 3 absents taux d'admissibilité garçon 45,45 45 garçon. Wow, admissibilité 45,90. 45,90%. 90, oui, admissibilité fille. Mhm, ensuite taux de réussite garçon. 7,79 mhm. mhm. et pour les filles 11,48 pour bon. pour la S2. pour la S2. il y avait 20 candidats dont un absent, mm-hmm. taux d'admissibilité garçon, 53,33%, mm-hmm. mm-hmm. pour les filles, 50%. Taux de réussite est de 0% pour les deux garçons comme filles. Comme filles. Taux, taux de réussite. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, merci, merci, merci beaucoup. mu nga ko mu nekkoon résultat yu lycée Serigne Bassirou Mbacké bu Porokhane